le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bonsoir à tous fidèles auditeurs et auditrices du Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le forum d'aujourd'hui porte sur euh, l'enseignement euh, dans les grandes écoles, contraintes et perspectives pour les boursiers au Niger et à l'étranger. Comment définir la bourse accordée par l'État à un étudiant Comment accéder aux écoles ou instituts professionnels privés pour le boursier de l'État Quelles sont les difficultés rencontrées par les boursiers de l'État inscrits dans les écoles privées ou semi-privées relativement au paiement de leurs bourses ainsi que leurs frais de scolarité Quelles sont les mesures à envisager à court, moyen et long terme concernant les manquements constatés Restez à notre compagnie, vous aurez les réponses à ces questions dans quelques instants. Pour ce faire, nous avons invité Abdullah Sanda président de l'organisation patronale des grandes écoles du Niger, OPAGEN. Euh, Madame euh, Maman Amina, chef euh, chef service études et prospectives au niveau de l'agence nigérienne des allocations et de bourses. Et nous avons également avec nous Djibril Aboukari Yassine, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens en Algérie. Et il est membre du Conseil général des sections extérieures de l'USN, l'Union des scolaires du Niger. Et nous avons également invité le, le le secrétaire général de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger, UEPTN, que nous attendons d'un moment à l'autre. Et pour la présentation, c'est moi Alassane Kouzi Mohamed. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nos discussions vont s'accentuer sur l'enseignement dans les grandes écoles, contraintes et perspectives pour les boursiers au Niger et à l'étranger. Après l'obtention du diplôme de baccalauréat, euh, les élèves méritants qui remplissent certaines conditions bénéficieront d'une aide de l'État pour pouvoir bien suivre leur cursus universitaire. Il s'agit de la bourse nationale euh, de l'État ou des bourses de coopération. Avec cette bourse, beaucoup de jeunes pauvres arrivent à réaliser leur rêve de fréquenter certaines écoles réservées aux plus nantis. Cependant, il est de plus en plus euh, difficile pour nombre de, de ces jeunes d'accéder ou de terminer leur cursus dans certaines écoles d'ici et d'ailleurs. Pourquoi C'est à cette question et bien d'autres que nous allons essayer de trouver des réponses dans cette émission. D'entrée de jeu, je vais demander d'abord à nos invités, euh, chacun de nous, de se présenter et de présenter euh, la structure euh, qu'elle représente ici. je commence par ma droite, M. Abdoulaye Sandamaïga, je le disais, président de l'organisation patronale des grandes écoles du Niger, OPAGEN. Moi, c'est mm. Je suis le président de l'OPAGEN. L'OPAGEN, c'est l'organisation patronale des grandes écoles du Niger. Nous avons démontré ce qui nous sommes parce que en voyant le, la liste des membres de l'OPAGEN, je pense que nous ne sommes pas trompés en disant que c'est les grandes écoles du Niger. Euh, vous êtes combien On est neuf, neuf pour mieux faire. Mm. Bien. Alors, euh, à vous, euh, Je Jibrila. au nom de Jibrila Boukari Yassine. Mm. Je suis étudiant à l'Université des sciences et de la technologie Waribou Médiane d'Alger. Je suis titulaire d'une licence en génie des télécommunications et réseaux. Mm. Donc, euh, je suis le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens en Algérie et également membre du Conseil général des sections extérieures de l'USN. Mm. Donc, euh, l'Union des étudiants nigériens en Algérie est une structure qui regroupe euh, un total de 700 et quelques étudiants. Mm. Donc nous sommes assez nombreux. Cette structure a pour vocation de défendre les intérêts matériels et moraux des militantes et militantes et également d'assurer l'encadrement des nouveaux étudiants. Et le Conseil général des sections extérieures est une coalition de toutes les différentes structures associatives et syndicales des étudiants qui sont à l'étranger. Inscrits à l'étranger. Voilà. Bien. Et nous donnons la parole à Hajia, Madame Maman Amina de l'ANAP. Madame Maman Amina. Je viens de l'ANAP, Agence nigérienne des allocations et des bourses. L'ANAP, c'est une structure qui est créée depuis 1999 et elle a pour mission d'aider les Nigériens. C'est-à-dire, c'est l'ANAP qui attribue les bourses, elle gère les bourses, les étudiants boursiers. Euh, quels sont les types de bourses d'ailleurs que Coctra euh, Bon, il y, a deux types de bourses, puisqu'il y a les bourses euh, nationales mm. par l'État nigérien et les bourses de coopération. Mm. Il y a, nous avons des, des, partenaires qui sont des partenaires qui travaille toujours ensemble avec, par exemple, le Maroc et l'Algérie. Mm. Il y a d'autres encore, par exemple, le Cuba, l'Égypte, le Koweït, etc. Mais nos partenaires qui sont nos partenaires initiaux sont surtout le Maroc et l'Algérie. Ils prennent un nombre euh, important d'étudiants. Hmm. Par exemple, cette année, ils ont donné le Maroc a donné jusqu'à 200 bourses. Hmm. L'Algérie aussi a donné plus de 200 bourses. Et ces bourses-là, c'est sous forme de quotas d'étudiants à accueillir ou c'est eux-mêmes qui prendront en charge ces étudiants oui. Par exemple, l'Algérie, ils prennent à 100% l'étudiant en charge. En charge, ils le prennent en charge à 100%. Bon, le Maroc, là, c'est pas la charge n'est pas totale quoi. N'est pas totale. Il y a une partie Il y a une partie et, l'État complète cette charge-là. Il y a un complément qu'on attribue à chaque étudiant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les modalités d'attribution de la bourse nationale et de la bourse de coopération Pour la bourse nationale, il y a plusieurs critères d'abord. Hein. Les critères d'ordre général, euh, il y a d'abord pour les bacheliers de la série A, c'est pas la même chose que pour, les, autres, pour, les, autres, pour les, séries, scientifiques. Pour les séries littéraires, si le candidat est un candidat officiel, c'est 23 ans d'âge. Si le candidat libre, c'est 24 ans. Et encore, il faut voir la moyenne. Si le candidat est admis, par exemple, dans les séries littéraires, il faut être admis à l'écrit hum. pour les séries littéraires, hum. Série séries A, 4, A, 8, G1, etc. Et assimilé. Il faut être admis à l'écrit. Avec combien de mains avec 11,50 au minimum. Et pour les séries scientifiques Pour les séries scientifiques, il faut être directement admis à l'écrit. Tout celui qui est admis à l'écrit, il est boursier. Il a 220, 10, donc il est, il est boursier. Si tu es admis à l'oral, tu as la possibilité d'avoir la bourse puisqu'on regarde tes bulletins. Les bulletins. Du premier et du second semestre. Là, on fait le calcul. Si le garçon a 10,50, il a la bourse. Si la fille a 9,50, elle a la bourse aussi, c'est pas la même chose nous, accueillons l'invité qui nous attend, celui de l'UEPTN. Veuillez vous présenter. Nous sommes le camarade Aouta Mahmoud Asuman, chargé à la presse de la section l'UEPTN. Euh, je donne la parole à M. Abdoulaye euh, Sandamaïga, président de l'OPAGEN, l'organisation patronale des grandes écoles. Comment accéder à vos écoles, les grandes écoles, en tant que boursier d'État Ce que je sais, c'est que, à ma connaissance, les boursiers de l'État ne sont, ne sont pas envoyés par la NAB. Mm. C'est les étudiants eux-mêmes qui choisissent de venir dans les écoles qu'ils veulent mais la l'ANAP demande par contre d'avoir une fiche d'inscription de l'école. Parce qu'il faudrait que la l'ANAP sache, mais mon étudiant à qui j'ai donné la bourse se trouve où pour pouvoir payer les frais de, scolarité. justement la, bourse. Hum. La, bourse et les frais de scolarité. Voilà les conditions, tout simplement. Hum. Donc c'est les étudiants eux-mêmes qui s'emmènent hum. dans des, écoles. Je veux m'inscrire chez vous, mais je suis boursier de l'État. Voilà. Et nous savons que l'État du Niger ne paye que 200 000 francs pour les boursiers de l'État dans nos écoles. 200 000, si votre frère de scolarité fait 200 000, l'État paye 200 000. Si ça fait 1 million, l'État paye 200 000. Si ça fait quoi, l'État ne paye que 200 000. Voilà. Mm-hmm. Et euh, est-ce qu'il y a un traitement particulier euh, qui réservé à, vos niveaux ou bien vous, vous considérez que euh, c'est des étudiants comme les autres Ils doivent payer les mêmes frais euh, que les autres Cela dépend des écoles. Mm. Il y a des écoles où ces étudiants-là ne payent rien d'autre que ce que l'État doit payer. Il y a des écoles où nous, nous disons tu dois me payer mes frais de scolarité. Ce qui signifie, paye-moi la différence par rapport à ce que l'État te paye, l'État va payer. Mm-hmm. Parce que le gros problème qu'on a avec l'État, c'est que l'État ne paye jamais à temps. Je ne dis pas que l'État ne paye pas à temps, l'État ne paye jamais à temps. J'utilise le mot jamais. Mm-hmm. Jamais à temps. On fait 3 ans, 4 ans, 5 ans pour, être payé une année. Mm-hmm. Et là, c'est le gros problème. Bon, quelqu'un qui ne te paye pas à temps et à qui tu ne demandes pas de payer le, le reliquat, là, il y a un problème. Donc, ce que nous disons, payer la contrepartie et nous allons continuer à attendre l'État quand l'État aura les possibilités de payer. Voilà. Alors, euh, nous avons le membre, euh, membre de l'IEPTEN avec nous, euh, notamment Aouta Mohamed Assouman, chargé à la presse de l'IEPTEN, l'Union des étudiants dans les écoles et instituts, instituts professionnels et techniques du Niger. Comment vous accédez dans ces écoles professionnelles en tant que boursier Voilà, merci. je dirais que les boursiers n'ont pas vraiment assez de problèmes dans les écoles hmm. parce que c'est une convention qui relie les écoles et l'État. Mm. Lui, l'étudiant, c'est après son bac, mm. il décide volontiers de s'inscrire dans une école. Et qu'il y a plusieurs écoles dans lesquelles, quand tu es broussé de l'État, il n'y a aucun frais supplémentaire. Seulement, nous arriverons souvent à avoir des problèmes, c'est lorsque l'État tarde à pouvoir payer les frais de formation de nos camarades broussés dans les écoles respectives. Donc je considère que c'est bien normal. Les promoteurs des écoles décident à un moment donné d'expulser nos camarades parce qu'il y a une part de contrat qui n'est pas tout à fait respectée. Et à chaque fois que nous avons ce problème en face de nous, nous essayons de réagir à l'immédiat parce que nous considérons un broussier, c'est un mérite. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance d'être broussier. Donc c'est vraiment un travail de dur labeur. Et c'est un prix de l'excellence. Donc il ne faudrait pas que les camarades broussaient dans les écoles respectives et que à chaque fois, c'est eux qui sont harcelés, c'est eux qui sont menacés parce que l'État ne paye pas leurs frais de formation à temps. Je tiens vraiment un chapeau aux différents promoteurs des écoles parce qu'ils sont vraiment patients. Une école, elle évolue vraiment, c'est à travers les frais d'inscription et de formation des ces élèves et étudiants. Quelles sont les autres difficultés, en tout cas reliées à la bourse de l'État, que les étudiants boursiers vivent dans, dans ces écoles Bon, dans les écoles, les étudiants n'ont pas vraiment assez de problèmes en dehors de, du respect. Hmm. de ce contrat par l'État. Alors, on sait que dans certaines écoles, hein, dans certaines écoles, et euh, instituts, eh, on demande à tout le monde de, payez par exemple, d'abord vous payez les frais d'inscription, et ensuite on vous demande de payer 50% euh, des frais de scolarité, et ça on le demande aussi même aux, boursiers de l'État. Euh, on leur dit qu'ils euh, seront remboursés quand l'État réglera l'école. Est-ce que vous avez des, des, étudiants qui viennent, des gens qui viennent en tout cas se plaindre auprès de vous, dont les parents n'ont pas les moyens de pouvoir satisfaire à cette exigence Évidemment, il y a ce problème mais souvent on le rencontre dans les écoles étatiques, notamment les NSP, les ISP et consorts. Voilà, là-bas quand tu es broussé, il te dit il faudrait que tu payes les frais de formation. Même dans les écoles, il y a ce, il y a ce problème, les écoles privées. Hmm. Mais les écoles privées, ils sont véritablement sages. Ils ne réagissent pas on va demander si effectivement ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. Même lorsqu'ils réagissent, il faudrait qu'ils accusent vraiment un certain, retard, hmm. par rapport au, paiement de, leurs frais de formation. Monsieur Abdoulaye Sandamaïga de l'OPAGEN. Pour abonder d'abord <laughs> dans le sens, de ce que l'autre a dit, c'est que peut-être, c'est peut-être parce qu'on est trop sage que l'État ne nous paye pas. On ne dit jamais rien. Dans notre conception, c'est notre manière d'aider le, Niger. Hmm. Vous comprenez En acceptant les boursiers de l'État et en pensant que l'État, ne serait-ce que chaque deux ans, va payer une année. Mm. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est mm. pas chaque deux ans qu'on paye une année. Mm. C'est qu'en fait, je vous ai dit, trois ans, quatre ans ou cinq ans pour payer. Et je pense que l'État a le devoir de faire en sorte que les écoles qui existent au Niger, et qui ont la capacité d'accueillir doivent être les meilleures écoles d'abord. L'État doit faire en sorte que les écoles du Niger soient des excellentes écoles mm. pour que ça sorte d'abord l'image du Niger à l'extérieur et ensuite que les Nigériens n'aillent pas se déplacer ailleurs pour étudier. Alors, il y a le mythe de l'extérieur, c'est vrai, il y a d'autres qui ont envie juste d'aller à l'extérieur. C'est mm. pas parce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de filières au Niger, mais dont on envoie des étudiants nigériens à l'extérieur pour faire. Nous nous demandons même pourquoi on le fait. Mm. Alors que ça coûtera moins cher et à l'État et aux parents et même à l'enfant à l'étudiant, de rester au Niger pour le faire. Si ça n'existe pas, on est d'accord. Mm. Ou bien quand l'État ne croit pas à cette formation au Niger, on est d'accord tout ça. Mais il y a des écoles au Niger qui font des excellentes choses, mais quand même avec tout ça, on décide d'envoyer des gens. Et quand c'est une bourse de coopération, comme a dit Agia, on ne peut rien, c'est une bourse de coopération, mais il faut bien donner aux militants. Mm. D'accord. Je reviens maintenant à votre question. Quand les étudiants décident de venir chez nous, mm. moi je vous donne l'exemple de chez moi, mm-hmm. c'est que si les frais de formation. Je donne un exemple. Si mm. les frais de formation doivent faire 300 000, mm. l'État ne paye que 200 000. Mm. Nous demandons à l'étudiant, payer nous nos 100 000. Déjà l'inscription. Il faut être, mais parce que le privé dont le père paye, lui, il paye plus de 200 000. Lui, on lui demande de payer les 300 000. Mais le boursier de l'État, on dit de payer 100 euh, 000. Ça, c'est une affaire entre moi et mon État je dis, je parle en tant que promoteur d'école entre moi et mon État. Mm. Et j'estime que c'est de mon devoir aussi mm. de faire un petit geste vers mon État. Mm. Ça, c'est mon devoir. Mm-hmm. Et ce petit geste, c'est de pouvoir patienter pour que l'État me paye. Mm. Et en faisant ça, nous aidons les étudiants aussi qui ne seront pas chassés, qui ne seront pas dans la rue et pour éviter des mouvements aussi. Mm. Mm. Parce qu'il y a certains comportements, quand on le fait aussi, ça pousse les gens à sortir dans la rue. Mais, parmi vous, il y en a qui demandent d'abord de, payer la totalité des frais de scolarité avant euh, euh, d'être réglé par l'État pour rembourser les Ça, c'est pas le privé. Ça, c'est pas le privé. Vous avez entendu, il l'a dit, ça, c'est pas le privé. Le privé te demande paye ta contrepartie. Certains privés ne demandent même pas la contrepartie. Mm. Bien. Nous allons donner la parole à Djibril Aboukari Yassine. C'est lui qui représente les étudiants nigériens donc, euh, en Algérie. À votre niveau, quelles sont les difficultés que les étudiants nigériens inscrits à l'étranger vivent relativement aux frais de leur formation, aux frais de scolarité. Et à notre niveau, au niveau des étudiants nigériens qui sont à l'extérieur, les principaux problèmes que nous rencontrons, c'est au niveau du paiement de la bourse. Parce que vous le savez, la majorité des boursiers qui, vont à l'extérieur, plus particulièrement en Algérie, où d'ailleurs nous avons 90% des étudiants qui sont boursiers et que la majorité absolue sont issus des familles qui ne sont pas très aisées. Mm. Donc leur principale euh, subsistance, c'est-à-dire ils arrivent à appuyer cela dans le paiement de la bourse. Mm. Mais malheureusement, cette condition n'est pas satisfaite parce que au titre de l'année académique 2018-2019, à titre d'exemple, nous avons touché la bourse du premier trimestre le 10 juillet 2019. Donc il faut voir l'écart qu'il y a. Une bourse qui devrait être payée depuis les, les mois de novembre, décembre ou plus tard, mm. c'est un problème. Mm. Et le problème est d'autant plus sérieux parce que pendant les périodes de grandes vacances et pendant les congés, Là-bas, en Algérie, certes, il y a la cantine, tout, et qui est relativement moins chère. Mais pendant ces périodes-là de congés et de grandes vacances, les restaurants sont fermés. Et quand vous prenez un étudiant qui n'a même pas un dinar pour acheter quelque chose à manger, c'est un sérieux problème. Mm. Donc ça, c'est le problème qui doit être réglé de toute urgence de la, euh, de la part de l'ANAP parce qu'on ne peut pas cautionner un retard de plus d'une année pour des étudiants qui vivent à l'étranger et dont les parents ne sont pas en mesure aussi de les envoyer quelque chose. Alors, qu'en est-il de votre relation avec ces écoles dans lesquelles vous, étudiez, notamment pour les cas des frais de, les frais de formation euh, Quand vous prenez pour les écoles en Algérie, la majorité des étudiants sont dans les universités et dans des instituts. Pour ceux qui sont au Burkina Faso, en Tunisie et au Maroc, la majorité d'entre eux sont inscrits dans des universités privées, des instituts privés. Et le problème qui se pose à leur niveau, c'est le non-paiement des frais de scolarité par l'État nigérien. Mm. Donc, vous avez des écoles qui sont très strictes et qui demandent de payer la totalité de ces frais de scolarité là avant de commencer à prendre les cours. Mm. Il y a d'autres écoles qui sont moins strictes qui vous permettent d'assister aux cours, mais tant que vous ne payez pas ces frais de scolarité-là, vous n'avez pas le droit de participer aux examens. Mm. Il y en a d'autres qui sont encore plus souples, qui vous permettent de faire les examens, mais qui ne vous donnent pas le diplôme tant que vous ne payez pas ces frais de scolarité-là. Mm. Et au niveau des frais de scolarité aussi, nous avons un autre problème, surtout les étudiants qui sont au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, donc euh, l'État leur demande de payer les frais de scolarité pour ensuite être remboursés remboursé. après. Mais jusqu'à présent, mm. les étudiants ne sont pas remboursés. Mm. D'ailleurs, au Burkina, ils ont jusqu'à trois ans d'aéré qui n'ont toujours pas été payés jusqu'à présent. Mm. comment ces, étudiants vivent ces situations et leurs parents d'ailleurs parce que je suppose que les parents sont informés souvent de, de, ces désagréments. Bien sûr, les étudiants vivent cette situation très mal parce que on ne peut pas comprendre que dans une centaine d'étudiants de plusieurs nationalités différentes, on vient, on indexe les Nigériens, on les expulse carrément de, de l'école. C'est C'est vraiment une chose qui ternit notre image et qui ne devrait pas être fait pour un État comme le nôtre. Et souvent, le problème qui se pose, c'est que les parents qui n'ont pas ce moyen-là de trouver l'argent pour envoyer à leurs enfants sont contraints de regarder leurs enfants à la débandade dans les pays étrangers et c'est très mauvais pour, pour l'image du Niger. Nous allons donner la parole à Madame Maman Amina, chef service études et prospectives donc à l'ANAB, l'agence nigérienne des allocations et des bourses. Euh, vous avez en tout cas euh, écouté euh, les interventions des uns et des autres. D'abord les, les, étudiants qui sont sur place ici au Niger, en tout cas boursiers, qui sont soit dans les écoles publiques de l'État ou dans les écoles privées, euh, certaines exigences qui sont faites à l'endroit de, ces, étudiants et, aussi ces, étudiants de l'étranger. Du côté de l'ANAP comment analysez-vous ces état de fait et comment vous l'expliquez Pour ce problème-là, c'est dû au fond qu'on alloue à l'ANAP Tous ces problèmes-là, c'est dû à la caisse, aux caisses de, l'État. Mm. Puisque c'est un programme. Les étudiants qui sont inscrits, on étudie leur dossier, on fait les états. Mais chaque fois, il faut d'abord, euh, euh, c'est dû à ce qu'on perçoit de l'état. Par exemple, si les étudiants sont inscrits et que vraiment je ne sais même pas comment expliquer, mais vraiment, je vous dis Cherchez que... à hein? expliquer. Nous voulons bien, bien savoir. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent comprendre, qui veulent savoir. L'État attribue des bourses à, des, à, à, un certain nombre de méritants. Euh, je vous l'ai déjà dit. C'est dû vraiment, c'est ce que l'État nous envoie. Chaque fois, si l'État envoie, maintenant, c'est depuis 2016, on n'a pas payé. Vraiment, c'est que c'est, c'est, je ne peux pas dire hmm. autre chose que c'est la caisse de l'État. Si l'État nous envoie, on paye. Est-ce que. Vraiment, on fait un programme par école. On fait on, par école, par institut. Mhm. Voilà comment on fait. Mais quand même, on a fait des efforts. Il faut voir les étudiants qu'on a payés. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez donner des chiffres, des chiffres ça C'est vraiment des trucs de, de, c'est pour les financiers. Moi, je suis pas, je peux pas. Le nombre. En tout cas, je peux pas rentrer. Bien. Est-ce que, est-ce que cela signifie que l'État attribue des bourses à un nombre d'étudiants et n'alloue pas les ressources euh, relativement à ce nombre de boursiers? non, c'est pas comme ça. On a le nombre exact qui est là et on a aussi les États qui sont là. C'est-à-dire, si on donne la bourse à l'étudiant, il a, vraiment, il y a son nom qui est là et sa bourse qui est là. Donc, sur le papier. Sur le papier, même dans les caisses. Euh, parce que vous dites que c'est un problème de l'État, vous n'arrivez pas à avoir, euh, l'argent n'arrive pas. C'est une question de retard dans, le décaissement ou c'est une question de disponibilité même de fonds. C'est ça le problème, la hum. disponibilité même. Hum. Puisqu'on fait un programme, deux fois, on alloue, par exemple, si on, appelle le comptable pour venir prendre 50 millions. Hum. Il peut venir prendre les 50 millions, il programme. Voilà ce que je vais payer. Voilà, euh, il fait un calendrier pour les établissements. Hum. Voilà les, les, étudiants que je, vais payer. Et il réserve une partie pour les écoles, pour les paiements des frais d'inscription des étudiants. Voilà comment ça se passe. Mais vraiment, c'est un programme. C'est pas comme ça. Par exemple, on verse l'argent pour à l'ANA pour venir payer tout le monde. Non, vraiment, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on procède par priorité. Par priorité. Les priorités, vraiment, on pense que c'est les étudiants. D'abord, il faut payer les étudiants. Les étudiants qui, sont, qui sont sur place ou ceux qui sont ailleurs. Même à l'extérieur, vraiment, on fait un effort. Hum. Même pour l'extérieur. Vous savez, c'est pourquoi on a cette politique-là. Hum, on veut que chaque étudiant, on a vraiment fait il faut essayer de choisir une filière qui n'est pas au Niger. On veut que tout le monde reste au Niger pour que ça y est, on n'ait pas de problème de paiement de ces bourses-là. Et c'est un arrêté qui est là. L'étudiant, euh, puisque la NAV n'oriente pas, hum. c'est à eux de choisir là où ils veulent étudier. Donc, il faut, il faut, c'est pourquoi on a fait ce, euh, on a euh, créé cet arrêté-là de rester au Niger étudier, choisir une filière qui n'est pas au Niger. Donc il y a, cet, par sorti par, la, NAB qui, qui demande aux étudiants de choisir des filières qui ne, sont pas, qui, ne sont... pas enseignées ici au Niger. Oui. Par exemple, l'année, il y avait l'année passée plus de 300 étudiants qui ont demandé, hmm. on a gardé vraiment 36 seulement, 36 hmm. étudiants qui ont cette filière-là qui n'est pas, qui ont choisi cette filière-là qui n'est pas au Niger. Hmm. Donc c'est toujours pour essayer de trouver la solution à ce problème-là. Alors, je vais demander une réaction peut-être aux deux représentants d'étudiants ici euh, sur ce plateau. Euh, je commence par vous, Monsieur Aouta, Aouta Maman Asman de l'UEPTN. Vous avez entendu un peu les raisons avancées par euh, Madame Maman Amina de l'ANAP. Est-ce que vous avez une réaction ou un commentaire par rapport à, à, cette question par rapport aux réactions de notre cher maman, je voudrais tout simplement ajouter que même les étudiants ont vraiment des arrêts de brousse à la nappe. Par exemple, maintenant, nous sommes presque à la fin de 2019 et qu'il y a la troisième brousse. Il y a aussi la brousse des vacances qui tarde à venir. Vous voyez, et cela aussi couplé avec les frais de formation des camarades. Donc c'est pour vous dire que la rentrée académique 19-20 peut toutefois être entachée d'un certain nombre de mouvements, lesquels nous ne souhaitons pas. Parce que la section lieu-pétain, depuis notre consécration, nous avons dit que voilà, il faudrait que nous, les étudiants, nous donnons un peu l'exemple que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, servir notre pays. Et comment servir le pays Il faudrait que nos camarades aient avoir une formation de qualité, une formation adéquate. Donc c'est pour cela que nous ne, sommes pas pratiquement en mouvement. Mais par rapport à cette situation-là, nous risquerons vraiment de boycotter la rentrée académique 19-20. Parce qu'il faudrait qu'un certain nombre d'engagements que l'État avait pris soient respectés. Nous ne pouvons pas accepter à ce que dès le premier jour de la rentrée, que nos camarades soient expulsés. Nous ne pouvons pas accepter de faire la rentrée au moment où nous avons un aéré de brousse, jusqu'à deux brousses. Vous voyez Donc c'est pour vous dire que vraiment, je demande à, euh, la représentante de la NAPTE ici d'écouter de, notre cri de cœur s'ils veulent. Et de faire part qui des droits. qui des droits. Parce que il ne faudrait pas que nous tous nous croisons les bras à ce que l'avenir de toute une génération soit sacrifié. Il faut taper les porteurs. Sinon, nous, c'est Larry qui va nous entendre. Bien. Voilà. Bien. Djibrila Boukari euh, Yassine, donc secrétaire général Union des étudiants nigériens euh, étudiants en Algérie. Alors, une réaction par rapport aux réponses apportées à nos différents questionnements. Euh, relativement à, la bourse. Voilà, effectivement. Et comme vous le voyez, quand même, nous les étudiants qui sommes à l'étranger, nous avons cet esprit de patriotisme-là pour montrer que les Nigériens, vraiment, ils ont la fierté d'être Nigériens et ils sont là pour étudier. Ils ont été envoyés par l'État pour étudier. Mm. Quand vous regardez dans les écoles à l'étranger, la majorité des majors de, promotion, ce sont tous des Nigériens. Ça veut dire que les étudiants... Sur des centaines de nationalités. Oui, ça veut dire que les étudiants nigériens, ils sont en train de faire leurs preuves. Mais pour que cela puisse continuer, être pérenne, il va de soi aussi que l'État puisse accompagner ces, ces étudiants-là. Mm. Quand vous prenez par exemple le cas de la programmation de le paiement des, de la bourse. Mm. Moi, je pense qu'il y a un manque d'équité dans ce paiement-là, parce que à notre niveau, nous qui sommes à l'étranger, nous sommes contraints d'attendre à ce que les étudiants qui sont tous au Niger finissent d'être payés mm. avant de toucher un seul un seul rang. Mm. Donc, euh, c'est quelque chose qui doit vraiment être revu, qui est une possibilité de payer en parallèle ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont qui sont à l'intérieur du Niger, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive à faire une année sans toucher un seul terme. Et quand vous prenez, par exemple, notre cas qui est de l'Algérie, les étudiants n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas ce droit-là. Donc, ils sont contraints de subvenir à leurs besoins uniquement par le paiement de cette bourse-là et par les petits sous que les parents arrivent à leur envoyer. Hmm. Et ça aussi, ça dépend aussi de la période à attendre. Hmm. Donc, ce sont ces principaux soucis-là qui nous causent des problèmes, notamment aussi avec les frais d'inscription qui doivent pas à être payés. Les étudiants sont expulsés parmi des centaines de nationalités, des étudiants sont expulsés, ils n'arrivent pas à avoir leur diplôme. Et ça, vraiment, ça ne fait pas honneur, honneur à notre pays. Comment vous essayez de gérer ces, différentes difficultés quand, quand c'est là, en tout cas Le euh, problème, le problème qui se pose à notre niveau, c'est que ceux qui sont à l'intérieur du Niger sont plus entendus parce que et ils sont là, ils sont capables de sortir dans la rue pour engager des mouvements. Mm. Mais à notre niveau, nous n'avons pas ce moyen-là pour mettre une forte pression à, à l'État nigérien. Mm. À chaque fois, nous avons l'habitude de faire des déclarations d'envoyer des notes, mais toujours on n'a aucune réponse de la part de l'État. C'est sûrement parce que nous, on n'est pas sur le terrain pour essayer au moins de, de, hausser les temps. Hmm. Donc c'est ce qui nous cause principalement ce, ce problème-là. Bien. Je voudrais poser une question euh, quand même à notre ami Aouta Mohamed de l'Union des étudiants euh, inscrits, dans les écoles, euh, instituts et instituts professionnels et techniques. tout à l'heure, on avait dit que ces exigences faites aux élèves de payer la totalité des frais de scolarité avant d'être remboursés. Euh, le plus souvent, c'est dans les écoles publiques de l'État. Comment vous comprenez cela Pendant que euh, dans les écoles, dans beaucoup d'écoles privées, on demande aux étudiants de payer la différence, juste la différence en attendant. Oui, nous n'arrivons pas vraiment à comprendre cette situation parce que à un moment donné, nous avions rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur pour lui faire vraiment saisir cette question. Donc euh, après notre rencontre, il a appelé les directeurs, les différents directeurs de ces écoles pour vraiment leur mettre une certaine pression. Seulement, nous ne savons pas ce qu'ils ceux qui se sont compromis entre mm. eux. Mais quand même, il y a une pression de la part du ministère de l'Enseignement supérieur par rapport aux exigences de, ce, euh, de ces différents directeurs généraux. Mm. Vous voyez un peu. Parce que nous, nous considérons que l'étudiant, il est innocent dans cette histoire. Ce n'est pas de sa faute. Donc la faute vient de d'eux. De. Ils sont ici à cause de l'État, donc c'est l'État qui devrait prendre en charge la totalité des frais de formation des brouchers. Dans les écoles, Déjà dans les écoles étatiques, je crois bien c'est une orientation. La plupart des brouchers ils sont orientés dans les écoles étatiques c'est individuel, hein, je pense. Je pense que voilà, mais il y a une orientation, mais c'est au niveau des oui, C'est vrai qu'il y a certaines écoles aussi où les gens sont orientés. Il y a des écoles, des centres là. Genre IPDR. Euh, IPDR et, Mais la question là, hmm. cette année, on va vraiment résoudre ça de la plus belle manière et que ça soit définitif. Bien. Euh, monsieur Abdoulaye euh, vous dites que vous, vous, acceptez souvent, vous, vous, demandez aux étudiants de boursiers de payer juste la différence euh, de, ce qu'ils doivent. Alors, quand il arrive que vous avez, vous accumulez des arriérés un an, deux ans, trois ans, qu'est-ce que vous faites Est-ce que tous ces étudiants boursiers dont euh, les frais de scolarité n'ont pas été réglés par l'État sont expulsés de vos écoles ou bien euh, ils se débrouillent pour payer eux-mêmes D'abord, je, je reviens sur le fait que vous avez, on a entendu les deux autres, mhm. tout le monde parle euh, d'une formation excellente, d'une formation de rigueur, mhm. d'une formation de qualité. Et Hajia a dit que la NAB et l'État du Niger fait tout pour que, tant qu'il y a une formation au Niger, que les élèves restent. Mais comment voulez-vous avoir tout ce qu'il vient de dire là, alors que l'État ne subventionne pas les écoles, l'État ne donne rien, et même les bourses les frais de formation, plutôt pas les bourses, les frais de formation des étudiants qu'on doit payer dans nos écoles, ça fait 4 ans, pour certains 5 ans. Donc, est-ce que là, on va nous demander tout ce, qu'on est en train de demander, une formation de qualité, une formation de ceci, Et cela calculer, calculer le nombre, rester, chez nous, calculer le nombre d'étudiants qu'il y a dans nos écoles, multiplié par le nombre de 200 000 que l'État doit payer, qui n'a pas été payé, multiplié par le nombre d'années. Voyez-vous ce que ça fait Donc alors, on ne nous aide pas à améliorer les établissements. Nous le faisons de notre propre chef. On ne nous aide pas à faire ceci et cela. Mais quand vous entendez les parents d'élèves et même l'État, non, non, non, vous ne payez pas bien vos enseignants, vous ne faites pas ceci, vous n'achetez pas du matériel. Et d'autres disent même que les fondateurs des écoles sont des commerçants. Bon, ça, c'est un autre débat dont on peut répondre, voyez-vous. Mm. Mais tenez-vous bien, l'État ne fait rien de tout ça, mais quand il s'agit des impôts, les premiers à être touchés, c'est les écoles privées. C'est les écoles professionnelles. Il faut aller chercher. Ils ont de l'argent. Comme si nous, on fabriquait de l'argent. Alors que nous, nous avons de l'argent avec l'État. Et quand vous leur dites, on a de l'argent avec vous, vous ne nous avez pas payé, donc allez-y, faites le total, allez-y prendre l'argent chez vous. Ils disent non, non, non, il n'y a pas de compensation. Parce que ça vous arrangerait mieux même que ces impôts Il n'y a pas de compensation. Mm. Vous comprenez, il y a vraiment une contradiction totale. Je comprends bien. Et c'est même, comme je vous l'ai toujours dit, c'est même qu'ils sont en train d'agir comme ça. C'est eux qui deviennent des fondateurs après quand ils sont libérés de leur poste. Mm ils deviennent des fondateurs et ils se mettent de l'autre côté pour dire non, non, ce que le ministre là a dit, c'est pas normal, mais ce que le SG l'a a dit, c'est pas normal. Mais quand lui, il était là-bas, ou quand eux, ils étaient là-bas, ils ne réagissaient pas comme ça. Voyez-vous le problème Donc, si je reviens à votre question, c'est que cela dépend des écoles, je vous ai dit. Mais il y a certains qui ne vous acceptent même pas à aller, comme l'autre l'a dit, à aller faire des, examens. Tu ne payes pas, tu ne vas pas tu as payé la contrepartie, d'accord. Je vous ai dit, il y a des écoles qui ne demandent même pas la contrepartie. Ils ne mm. prennent que les 200 000 de l'État. Ce qui n'est, ce qui n'est d'ailleurs même pas normal. Mm. Parce que on fait en sorte que celui qui ne paye pas a beaucoup plus de faveur que celui qui paye la totalité des frais. Mm. Toi, tu dois payer 200 000. Les 200 000, tu ne les payes pas. Celui, ton parent qui doit les payer, les paye 4 ans ou 5 ans après. Mais celui qui est privé, qui doit payer 400 000, 500 000 ou 600 000, lui, on l'oblige à payer ça dans l'année. Hmm. Ce n'est pas juste, hmm. vous comprenez hmm. Donc, je pense que l'État du Niger doit faire en sorte que priorité revienne. Excusez-moi, je ne dis pas de, ne pas payer les frais de scolarité de l'extérieur du pays, mais priorité revienne au Niger pour que nous, nous, nous, nous bombions nos poitrines un jour pour dire nous avons des meilleures écoles au Niger et cela grâce à l'État du Niger qui a compris qu'il faut investir d'abord chez soi avant d'aller investir ailleurs. Mais il y a un autre problème qui se passe. Dans la religion musulmane, on dit si est 16 heures et que tu n'as pas prié 14 heures, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois faire d'abord. Prier 14 euh, heures. Des fois, on constate qu'au niveau de l'ANAB, ils on a des arriérés de 2015, 16, 17, mais l'ANAB veut payer 2017. Mais eh, pourquoi on a laissé 2015 J'arrive, j'explique. C'est un exemple. que je, a je n'ai pas la situation exacte là où je vous parle maintenant. Je n'ai pas la situation exacte. Moi-même, la situation exacte de mes boursiers, combien je ne sais, moi, je ne connais pas. Je vous ai dit, à affaire d'ANAB, moi, je ne suis pas dedans. Voilà, vous comprenez hmm. J'accepte les étudiants, ils viennent, et puis voilà. Mais vous, dites que vous envoyez souvent euh, des gens à l'ANAB, c'était C'est ma directrice des études. Non, c'est ma... quand l'ANAB demande les situations, hmm. et quand ils disent qu'ils ont payé, parce qu'ils disent qu'ils ont payé, je dis, va me chercher la liste, parce qu'il faut que je sache l'ANAB a payé pour qui et qui. On ne va pas donner un reçu à tout celui qui vient qui dit que je suis boursier. Non, la NAP donne la liste exacte. J'ai payé 200 000 pour telle personne pour telle année. Donc cette personne, on lui donne son reçu de 200 000 et on écrit dans le compte. Voilà comment ça se passe. Et je pense que il faut aussi mettre les écoles sur le même pied d'égalité. Il ne faut pas qu'on paye à d'autres écoles et que d'autres écoles, on ne les paye pas. Je sais ce que j'ai dit, madame. C'est pas que je jette de l'anathème sur NAP, mais il, faudrait que l'ANAP essaye d'être aussi juste avec les écoles. Parce que des fois, il y a des, écoles qui sont nouvelles par rapport aux anciennes écoles, mais l'ANAP paye la nouvelle école. Et les, les anciennes écoles sont là. Ce n'est pas juste. Puisque vous avez la parole, euh, nous sommes presque euh, à, la, fin de cette émission. Mm. Quelles sont les suggestions que vous avez à faire pour que le Niger puisse continuer à, en tout cas à, donner une, formation de qualité aux étudiants l'État du Niger honorer ses engagements. L'État, un État, c'est le père et la mère des fils de la nation. Donc quand un, père va inscrire son enfant, enfin tout parent d'élève cherche à ce que son enfant ait la meilleure éducation. Hmm. Donc, pour, payer, pour, aussi avoir la meilleure éducation, il faut financer. De faire en sorte que priorité soit donnée à la formation des, des élèves du Niger des étudiants du Niger, des enfants du Niger. Priorité, je dis bien, priorité soit donnée. Et cette priorité comprend beaucoup de choses. Que l'ANAP soit doté des frais pour payer, que, que, comment on appelle, que ces paiements-là soient faits normalement, que la majorité des élèves, tant qu'il y a une formation au Niger, qu'on le fasse au Niger ou d'envoyer ailleurs, ainsi de suite. il y a beaucoup de paramètres. Mmh. Mais que l'éducation des enfants du Niger soit une priorité pour chaque État. Bien. Euh, madame, je ne sais pas si vous avez peut-être une réaction, euh, Madame <laughs> Amina. La réaction, c'est par rapport à ce qu'avait dit le DG. Le C'est que pour ce qui est des paiements, là, des frais de scolarité, vraiment, je ne suis pas financière, je ne suis pas de, de, leur service, mais quand même, je sais que même récemment, on avait eu des OV. J'ai appris qu'il y a eu des OV, beaucoup d'écoles qui ont été payées. C'est quoi des OV les ordres de virement. Oui. beaucoup ont vraiment bénéficié ces, derniers jours-là. C'est ça que j'avais appris. je vais Puisque... Oui. Alors que j'ai des étudiants, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas pour. Oui, oui, oui. <laughs> Il y a eu vraiment des virements tout récemment là. Mm. Et moi, j'attire l'attention vraiment déjà. Il faut que, il faut vraiment nous comprendre aussi. Il faut que l'État nous mette dans les conditions. Et nous aussi, on a vraiment des soucis pour payer les étudiants, payer les écoles, vraiment, c'est nos soucis aussi, mm. nous aussi. Mm. Alors, pour ce qui est de ces boursiers-là, j'attire aussi leurs attentions, leur attention. Mm. Il faut essayer de, non seulement on sait qu'il faut remplir les critères, mais aussi il faut être à règle. Il y a certains étudiants qui ne viennent jamais à l'ANAB pour régulariser leur situation. Par exemple, même hier, on a eu quelqu'un qui est venu que lui, il, a eu le bac depuis l'année passée, n'a pas vu son nom. Alors qu'il y a son nom qui est là. Donc, euh, nous, voilà même le problème, notre problème, vraiment les plus grands problèmes qu'on a, c'est que les étudiants négligent ce côté-là. Il faut aussi être, à euh, être dans les règles, venir chaque fois se renseigner, venir à l'ANA pour les informations. Même pour les, les, directeurs des écoles, les, DG. Là il faut aussi... Comme pour Maïga qui dit que lui, il va jamais à Il faut aussi de temps en temps passer pour s'imprégner de la situation de la Bien. Donc, je vais donner la parole à nos deux étudiants qui sont ici sur place pour leurs suggestions, en tout cas pour les besoins, les priorités qu'ils veulent voir prendre en charge par, en tout cas, euh, c'est par qui des droits, <laughs> comme dira l'autre. Je commence par vous, euh, Monsieur Djibril Aboukari Yassine. je pense que, comme l'a dit Monsieur le directeur, l'éducation est le pilier de tout développement d'une nation. Et donc, la priorité doit revenir à, à l'éducation. Et j'aimerais aussi faire une petite suggestion à l'Agence nigérienne des allocations et des bourses. Vous le savez, dans ce monde qui est en perpétuelle évolution, c'est la technologie qui est au centre de tout. Moi, je pense que la doit revoir son mode de fonctionnement, notamment en essayant de l'informatiser un peu plus. Parce que quand vous prenez euh, le problème des étudiants qui n'arrivent pas à régulariser leur situation à temps, vous prenez le cas des étudiants qui sont à l'étranger. Nous, nous sommes obligés de trouver un passager, de lui remettre une enveloppe contenant les dossiers des étudiants, de les envoyer à Niamey de remettre ça au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et euh, au ministère de l'enseignement supérieur aussi de ramener les dossiers là au niveau de la NAB. Mm. Et souvent, il y a beaucoup de dossiers qui se perdent. Il y a des, il y a des étudiants qui, qui n'arrivent pas à toucher, par exemple, la bourse du premier terme ou du deuxième terme, mais touchent d'autres termes. Parce qu'il n'y a pas cette possibilité de, de, de, déposer en ligne bien sûr. Ces dossiers, ou de vérifier certaines choses en ligne. Voilà, mm. une informatisation de la NAB permettrait de résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. Et j'attends toujours ma réponse quant à la programmation des, bourses qui ne se fait pas de manière équitable entre les étudiants qui sont à l'étranger et les étudiants qui sont à l'intérieur du, pays. Monsieur Aouta Amaman de l'UEPTN. Voilà, nous nous estimons que l'école euh, est le seul instrument capable de garantir l'égalité des chances dans un pays comme le Niger. Donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter à ce que l'école soit marginalisée, à ce que l'école nigérienne soit jetée de la poubelle de l'histoire. À chaque fois, nous interpellons les autorités politiques, administratives de prendre en charge la question éducative. Notamment, l'ANAB doit créer les conditions pour que l'ensemble des étudiants et les écoles soient dans leurs droits. Et nous demandons quelque part à l'État nigérien les centres techniques qui sont là. Il y a vraiment un manque quasiment de matière d'œuvre. La rentrée, c'est pour bientôt. Les restaurants sont fermés. Les doctoires, ils sont quasiment inhabités. Donc il faudrait que avant la rentrée, que tout l'ensemble de ces problèmes soit résolu. Voilà vraiment notre cru de cœur. Eh si vous avez un, mot, nous sommes à la fin. Bon, les cris de cœur, comme l'on dit, vraiment, nous aussi, on va le lancer à l'État. On va vraiment demander à l'État de revoir mm le cas des étudiants, le cas de l'ANABD et des étudiants nigériens. En tout cas, vous avez entendu les pleurs de vos enfants. On a entendu vraiment leurs pleurs et on va, Inch'Allah, essayer de solutionner, d'apporter quelques solutions, Inch'Allah. Merci et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur l'enseignement dans les grandes écoles, contraintes et perspectives pour les boursiers au Niger et à l'étranger. Nous étions en compagnie de Abdullah Sanda Maïga, président de l'organisation patronale des grandes écoles du Niger au Pagen, euh, Madame Maman Amina, euh, chef service de étude prospective à l'Agence nigérienne des allocations et de bourses. Nous avions eu également avec nous Djibrila Boukari Yassine, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens en Algérie et membre du Conseil général euh, des sections extérieures de l'USN. Nous avions également avec nous euh, Aouta Maman Asuman, qui est le chargé, euh, le secrétaire chargé à la presse de l'Union des étudiants inscrit dans les instituts et écoles professionnelles et techniques. Merci à vous. Présentation à Alassane Kouzima telle La technique assurée par Ousseini Saka. Bonsoir.